auprès du procureur spécial euh, près de la Cri, une plainte contre Aliou Sall et contre Franck Timis. Cette plainte a été déposée. Vous voyez ici euh, sur euh, ce papier la décharge qui nous a été faite par la CRI. Et dans cette plainte de six pages, ce qu'il est important peut-être de retenir, c'est que ce que nous reprochons à Aliou Sall et à Franck Timis, c'est enrichissement illicite que sanctionne l'article 163 bis, alinéa 1er du Code pénal. Abus de biens sociaux, comme ayant exercé les fonctions de manager, Franck Timis, et de conseiller, Aliou Sall, pour en déduire que, par leur qualité, sont susceptibles de poursuite du chef d'abus de biens sociaux de complicité de détournement de deniers et ressources publiques, corruption, association de malfaiteurs, blanchiment de, de capitaux en bande organisée, faux en écriture publique sanctionné par l'article 132 du Code pénal, faux commis dans certains documents administratifs en vertu de l'article 132 du Code pénal. Nous demandons que soit émis un mandat d'arrêt international contre Franck Timis au sens de l'article 114 du Code de procédure pénale. Voilà euh, les griefs que nous avons contre Ali Sall, contre Franck Timis, raison pour laquelle, dans le cadre de la lutte contre la spoliation des ressources naturelles du peuple sénégalais, le FRAP, dans euh, cette lutte-là, a voulu contribuer en déposant, dans un premier temps, cette plainte contre euh, ces deux malfaiteurs que sont Ali Sall et Franck Timis. Ce que nous attendons euh, par rapport à cette plainte, c'est que la justice contribue à ce que la lumière soit faite sur cette affaire euh, qui suscite la polémique depuis plusieurs années. Nous pensons qu'il est temps que le peuple sénégalais soit informé, sache réellement, au-delà de ce que les différents camps, au-delà de ce que les membres de France Dégage peuvent dire en termes d'accusation euh, par rapport au président Macky Sall, à sa responsabilité, à Ali à Ali Oussal et à Franck Timis, il est important qu'aujourd'hui, que la justice contribue à jeter euh, une lumière sur ces faits extrêmement graves qui sont reprochés euh, à ces individus, faits extrêmement graves dont euh, sont coupables pour le frappe ces gens-là, alors que nous le rappelons, le Sénégal fait partie des 25 pays les plus pauvres de la planète. Or, il est inacceptable que devant cette situation-là, où nous sommes à l'université, il y a un enseignant pour 40 étudiants. Alors que la norme, c'est un enseignant pour 25 étudiants. Dans un pays comme cela, on ne vole pas impunément les ressources naturelles de ce peuple. Dans un pays où il y a tous les jours quatre femmes qui meurent d'une grossesse ou des suites d'une grossesse parce qu'on n'a pas suffisamment de gynécologues, on n'a pas suffisamment de pédiatres, d'infirmiers, on ne peut pas accepter, sans rien dire, sans rien faire, que nos ressources soient volées. Ces ressources-là doivent servir au peuple. C'est pourquoi cette plainte-là va contribuer, à côté d'autres initiatives au Sénégal et ailleurs, va contribuer à ce que la lumière soit faite. Et nous invitons tous les citoyens sénégalais du Sénégal et de la diaspora à déposer le maximum de plaintes ici à la CRI et dans d'autres juridictions où c'est possible, afin que le peuple sénégalais recouvre ses ressources. Il y a six pages dans cette plainte. Cette plainte vous a été distribuée. Certainement que vous allez lire cette plainte à tête reposée. Tous les éléments que nous, nous avons sont dans ce texte-là. Nous pensons que la nouveauté, au-delà des dénonciations, c'est de passer à l'acte. L'acte, c'est de poser, de déposer cette plainte. L'acte, c'est d'inviter tous les démocrates, tous les progressistes de ce pays à la manifestation du vendredi 14 juin à la place de l'obélisque, parce que le frappe est aussi partie prenante. Passer, nous pensons que depuis 2014, nous n'avons fait qu'interpréter les questions de pétrole et de ressources naturelles. Il s'agit aujourd'hui de transformer la situation du peuple sénégalais et transformer sa situation, c'est aussi rendre justice à ce peuple en lui restituant ses ressources, en, condamnant les malfaiteurs pour que demain, quels que soient ceux qui seront à la place du président Macky Sall, de Ali euh, ou de Ali Oussal, que ces gens-là puissent euh, gérer les affaires du peuple sénégalais dans euh, dans le cadre d'une gestion démocratique, dans le cadre d'une gestion qui va dans le sens des intérêts du peuple sénégalais. Nous avons été habitués, nous, peuple sénégalais, de 2012 à maintenant, à un système de Kumba Amdei, Kumba Amundei, une gestion euh, à géométrie variable de la justice. On emprisonne Karim Wad, on emprisonne Khalifa Sall, d'accord Alors qu'au même moment, on laisse Omar Niebbehan euh, voler l'argent des étudiants en prétendant qu'ils achètent le kilo de niébé à 4500. On laisse, d'accord, d'autres malfaiteurs euh, comme euh, peut-être Cher Kanté ou d'autres qui ont eu à utiliser, gérer les deniers publics de manière inacceptable. Ce procureur-là, nous n'avons pas une totale confiance en lui. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut diversifier les actions de lutte, il faut diversifier ce qu'il faut faire. Nous pensons, en tout cas tout le mal qu'on souhaite à ce procureur-là, c'est qu'enfin qu'il se réveille, qu'enfin qu'il rende la justice ou qu'il y contribue au nom du peuple sénégalais et qu'il arrête de rendre une sale justice, sale comme le nom de Macky Sall. Aline Badarambouk, donne membre France Dégage plainte procureur spécial auprès de la CREI plainte naam du lu sax lu bees waaye télé bobu ñuy wax BBC ñew nañu indi yeneen i firnde motax ñun FRAPP France dégage kep ku ñu xam xamni ni suñu xex ñu ko teg ci souveraineté démocratique waye aussi ci souveraineté économique souveraineté économique nak buñ koy wax moy mom sa bop ci sa walu kom kom am meññeef bu fi feñ fi ci suñum rew muy pétrole ñu jël ko Macky Sall signé ay décret yo xamni Ijaii, yi wax nañ ko ni ko signé mais parce que rakam mo ci dugg mu signé ko mu am lu mu upp 6000 milliards lo xamni tay buñ ko délo ci won ci askan wi ñi di étudiant yi tay duñu doon ñen fukki étudiant yo xamni ne benn professeur mo leen di jàngal ñi nga xamni ñi ngi ci all bi ñen ñi buñuy am dom ci ay coono lañ koy amé ba ñent wala juroom par fan yu nek dina am ño xam ne ci ñak seen bakkan suñu xolé ci suñu wal école Tay 6000 abris provisoires mo fa nek suñu xolé ci walu emploi tay jeunes ñi ngi jël ay gal di dem di dé ci bir géej motax ñu ni nak ñun ñi nga xam ne France Dégage té ñu bok ci art li ñu bok dinañ contribuer suñu contribution mom moy ñu jël plainte jox ko justice daan nañu xam nak ci ñaxtu daan nañu xam ci xex ñu ñi japp waaye dañu japp que ni aussi war nañu jël ay bataxal ay plainte di jox ñi nga xamni moy suñu justice nam ñu bari dinañ wax suñu justice dañ koy ngañ ci lu bari waye yaakar nañ ni wénu yaay lu mu lax-lax-lax dom ci la wara a motax ñu yaakar ke ni ba légui Sénégal amna ay magistrats yo xamni tay bëkk nañu dëkk bi té aussi dañuy wax citoyens yépp ñi nga xamni Sénégal lañu dëkk ñu déposer ay plainte fi ak fenen fi nga xamni diaspora ak fépp fu mu mën a doon ba nga xamni franc Timis mi nga xamni defee dugg guddi ku dégg timis ñu tuddee ko timis mu dugg suñu réew guddi ñu ñëw signaloo ko ay contrat yoo xam ni Macky Sall mi nga xam ni moo ko signé moo gën a xam la ca nekk. parce que li nga xamante ni loolu ngeen di xaarani ci plainte bi. bi xaar liñ ciy xaar mooy ñoom il faut que alal boobu nga xam ne moom la ñu luwal ñu delloo si ko moom mooy recouvrer deniers yooyu nga xam ne dañ ko dañ ko lubal waaye Alioune Sall mi nga xam ni dafa doon maire doon euh, directeur général. caisse de dépôt et de consignation yor ay ndomb tànk nekkoon aussi fonctionnaire Don, loolu mu don ay manquement yo xamni tay mom def nako ko warul la am sax industrie wala société bay dugg ci mbirum pétrole Franck Timis mi nga xamni article 8 code pétrolier dafa ni bo amul kom koom amoo kattan waruñu la jox lepp lo xamni ne ñu moom mooy licence ñom aussi ñi ngi leen reprocher lo xamni ay njuuj ndaj la ak ay loubal lo xamni ci ay bind la ak ay documents yo xamni gis nañ ko ñi ngi leen reprocher aussi que ni IGE yi waruñu woon a ñoom waruñoo woon a disposé wu licence bi parce que waxoon nañu ñu retiré ko ñu ngi leen di reproché aussi que ni ñoom alal ju lewul boo xam ni tey alalu askan bi la mi ngi ci ñoom moo tax ñun ñuy xaar ci justice mu def li ko war ndax ñun citoyen bi li ñu am mooy ñu taxaw ci su yoon fa du mbaxane doonee benn jooy li nga xam ni moom mooy suñu mbébét en dehors de ça nag bu liy weesoo am na yeneen action yoo xam ne ñun citoyen dinañ ko def parce que nag ñun ñun ñooy taxaw tem ndax suñu tiré ci déclaration universelle des droits de l'homme nee na nit ki tey bu fekkee ni droit bi tey ci dëkk bi saxu fi citoyens yi ñi nga xam ne ñoom am légitimité war nañoo génn ñaxtu def ba nga xamni yoon woowu dina def euh, dina dina dina leer motax ñuy rappeler ñëpp di leen wax na ñëpp tew ci rassemblement bu mag bi nga xam ne aar li ñu bokk bi nga xam ñun dañ ci bok te tay ñuy def contribution bi di leen ca wo feulé ci place de l'obélisque ci aljuma bu ñetti parce que nak li yefu du parti politique citoyen ordinaire société civile enseignant ouvrier parce que avenir suñuy la Macky Sall ak rakam bëgg def samba bi bi donc dul nangu duñ ko nangu Sénégal comme pays africain yi nga ci ay or ba pare di talal sen loxo di yalwaan ñun loolu duñ ko accepté ñu disons que na ñëpp génn ñu dem jour ba manifester pacifiquement ba pare ñuy appeler les organismes internationaux ñu jouer sen rôle. parce que walu guerre ni koy wax corruption dafa nek lo xamni dañ ko criminaliser tay bu ñuy xool tey ñi ki nga xamni mom moy mooy Sepp Blatter Platini ki nga xamni ni moy mooy Lamine Diack ñoom ñu ngi leen di tuuma te ñu ngi leen ouvrir une enquête judiciaire muy continuer donc loolu aussi warna naa am ci Sénégal xam nga procureur bi sax ñun waruñu woon moom warul woon a xaar sax koy laaj ndax procureur procureur askan bi la du procureur Macky Sall mais li ñu gis depuis 2012 mooy procureur Macky Sall bouton la boo xam ni fa ñu ko joxoñ rek foofu lay dem moo tax ñun amuñu ci confiance amuñu ci moom confiance ndax gis nañu ministère de la justice mi nga xam ni moom saisir procureur moom mo njëkk a génn ni xam na Sall jullit pire la waaw mais xanaa xamul woon Khalifa Sall xanaa xamul woon Karim Wade ñooñu tey justice def na ci leen war parce que ñoom ay adversaire politique gu Macky Sall la ñu woon. tey ñi ngi gis rakku Macky Sall mi ngi toog Macky Sall ci boppam doon président de la république moom moo génn jour Korité boo xam ne war naa dalal askan bi war naa ñaanal askan bi wax leen li ñuy xaar ci moom muy génn di wax samarak dañ koo tudd donc kooku mënuñu koo gëm moo tax ñu ni ñun ñu jàpp ni procureur bii sax. naam naam naam naam am na lu ñu koy reproché moom moo war a gën a nekk ki nga xam ni moom moom moo gën a libre procureur Bassirou Gueye bi ñëpp xam boo xam ni daanaka casquette APR sax lay sol donc ñun gëmuñu procureur tey gëmuñu ko ëpp ëllëg et puis dañu gëm ni loolu divertissement la tey peuple bi si boppam bu ñu demee ba ñuy wax naan dañuy ñi nga xam ne dañuy publier rapport dañ leen war a jàpp ñun dañuy wax ni ñooñu ñuy woo ci ci enquête ku mu neex nga bañ ndax lu tax doo ndax fu la mooy jaay Dakar ndax procureur warul mën a